vraiment tous les compartiments, tous d'un bout à l'autre jusqu'à la fin. La même énergie, la même volonté et puis la même réussite. Oui, Excellence, vous avez même perdu la voix, on dirait, Excellence. <laughs> ah, mais oui, vraiment, j'étais très ému. Tu sais, c'est difficile, c'est incroyable. On vous attend, monsieur le président, pour la demi-finale, monsieur le président. Les Nigériens ont fait pendant les, derniers jours, après, euh, depuis la qualification contre le Cameroun, mais. Il y a une chose hein, qu'on pouvait leur reprocher depuis le début de ce tournoi, c'était la finition. C'était la dernière passe, l'avant-dernière passe, et surtout la finition. Et là, depuis le début, on, sent quand même qu'il y, a, voilà, y a du travail euh, à ce niveau.